Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, pour la prospérité de la culture, le studio Kalangu présente l'artiste s'exprime. Une rubrique conçu par des jeunes et pour des jeunes. L'artiste s'exprime, reçoit l'art et ce qui le pratique. Sur cette émission, nous avons l'habitude de recevoir des artistes pétris de talent, en chant, en danse. Qui dit chant et danse aussi les ambianceurs, les hommes qui nous font enjailler entre griffes. Ici au Niger, ils sont certainement nombreux. Et sur ce plateau, nous allons recevoir un des meilleurs disques joker de la place. Le monsieur ne plus à présenter. Il met le feu Fireborn Dem, comme on dit, dans les coins les plus chauds de la capitale. Mr. Taf, c'est le nom du ciel que nous recevons sur l'artiste s'exprime. Ladies and gentlemen. Hey. Yo, digital, play shit. Yo, in Jamaica, they say big boom boom. In Martinique, we say la patate ou le dodan. But What call a lambi? C'est pas n'importe qui poussi, un pousse qui aime la vie. What call a lambi? Un bagage et puis être joli, et qui ça pour tout? Y'a l'aucun pour tout, tout, tout, tout, Bakoui même si bakoui, y'a l'aucun pour tout, tout, tout, tout, Qui sont la cloche de tout? Why this make you feel like no? Why this make you feel like no? Why come on, come on, come on, come on, come on, you you Party after party, Party after party, Party after party, after party after party, Party after party, after party after party. Justement, c'est sur ce but que nous allons causer parce que c'est son but. Il faut le dire par là qu'il a quand même euh, cartonné avec ce son. Baisse un peu. Baisse un peu. Baisse un peu. Baisse un peu. Allez, DJ Master Taf, Dondi la machine te souhaite la bienvenue. Laisse que les ozobolistas, s'il te plaît. Laisse que les ozobolistas, j'aime bien. Comment tu vas Bien, baisse un peu le son, baisse un peu le son. Parce que les, jeunes qui kiffent cette émission, ils doivent donc euh, euh, nous écouter et nous entendre comme ça se doit. Alors, Taf Dondi, la machine te souhaite la bienvenue. Tu vas bien Ouais, je vais bien, Dondi, comme toujours. Tu, hein. n'es plus à présenter, mais moi, je pense bien que euh, toute la jeunesse nigérienne qui kiffe cette émission doit en tout cas découvrir un certain nombre de choses sur toi, sur ton identité, et euh, qui tu es. C'est vrai, on sait que tu es cette Taf, mais nous sommes aussi suivis à travers le Niger, dans les coins les plus reculés, 46 radio partenaires. Alors cette jeunesse, bien évidemment nigérienne, ok d'accord, qui est majoritaire, donc doit savoir comment est-ce qu'on t'appelle déjà pour commencer le nom. Le nom de l'artiste. à l'état civil. Le nom à l'état civil, bien évidemment. quand ah, le nom à l'état civil, c'est Mustapha. Mustapha. Voilà. Ok, mais tu, Mustapha ne vient pas seul. Mustapha, est derrière Mustapha, a toujours un grand nom. Oui, c'est Oumarou, que ça s'arrête là-bas. D'accord, super. <laughs> Alors, on l'appelle tout simplement Mustapha Oumarou, mesdames et messieurs. L'artiste, euh, son nom d'artiste, c'est euh, euh, Mr. Taf. Bien sûr. Mr. Taf, pourquoi Mr. Taf Pourquoi Mr. Taf Alors, une petite anecdote. Vas-y. Euh, j'ai commencé à mixer quand j'étais au master. Oh, bien sûr. Euh, j'avais un creux de temps que je n'arrivais pas à exploiter. Ouais. Et donc, j'avais une passion de musique. Bon, je, me dis, suis dit, tiens, pourquoi ne pas un peu essayer de faire quelque chose Donc, master Voilà, quand je faisais ça, mes potes, ils se marraient. Ok. Ils se disaient, toi, nous, nous sommes Nous, on ne peut mixer. on est là, eh, <laughs> eh, tu es au Maroc, c'est ça eh, ouais, en Algérie. En Algérie, c'est là-bas que les choses ont commencé. Voilà, c'est là-bas que ça commence. Ok, ok. Donc, euh, mais c'est sin lakkal ka iskai isto master wala isto master isto master o mai wo mustafa wala ni ma mustafa ni taf taf ok master taf ah donc master taf nous go mastero comme tu l'as dit déjà et puis ma taf donc master acte monsieur mustafa voilà matka yine c'est don di sanga et don Edi, di di moya dino et pas de souci ok monsieur taf on t'a eu à l'état civil on a eu le nom de l'artiste c'est ça. Tu as commencé à mixer en quelle année Quand est-ce que ça a commencé euh, véritablement en Algérie 2014. C'est venu comment c'est venu. Bon, alors, il y avait une journée culturelle qu'on devait organiser. Ok. Et j'étais le chargé des affaires culturelles. Ok. Donc, on avait un problème de sous. Un problème de sous. On ramène un DJ. Bien sûr Il devait coûter environ 300 euros, c'est-à-dire 200 000 voire 200 000. 200 000 pour un ah, DJ. Non, non, non, non, non C'était un peu trop. La culture là, il faut qu'il se <laughs> débrouille un peu. Oui, il faut économiser. Il, faut, économiser. Et tu as pris les platines, tu as dit que tu vas assurer. Alors raconte-moi un tout petit peu comment ça s'est passé. Oh, la première fois Déjà, euh, tu as eu des difficultés, qu'est-ce que tu as rencontré C'est avec euh, quoi Virtual DJ, avec euh, une table qu'est-ce... Explique un peu comment ce que c'est. C'était avec Virtual, c'est l'initiation, mais bon, moi j'étais pas trop dans le mix à l'époque, j'étais dans la sélection parce qu'ils ne savaient pas comment faire. Ok, super. Donc, les gens ils ont apprécié la musique que j'ai vue, mais c'était pas mixable, il n'y avait pas de transition, tu vois. Normal. C'était, amateur si on peut le dire. mais quand même, les gens ils ont aimé. Ils ont aimé, bien sûr. Et, je voudrais savoir aussi une chose, hein. c'était en quelle année 2014. 2014. 2014, donc ça fait pratiquement 7 euh, ans euh, que tu es dans le mix, hein, parce que ça fait 7 ans que tu as commencé euh, les choses. Alors, on va parler un peu de comment est-ce que tu as évolué. Mhm. Donc, tu as quitté l'Algérie, tu es revenu au Niger, mhm. et tu as commencé par quoi J'ai commencé à chercher un boulot dans ce que j'ai eu à étudier, à savoir le génie civil. Okay. comme tu le sais, au Niger, c'est pas facile. Donc, tout a commencé en Algérie, tu es revenu au Niger. Mhm. Tu es revenu au Niger, est-ce qu'on peut déjà avoir un peu le parcours du combattant de 2016 Tu es revenu au Niger en 2016 Oui, je suis revenu en 2016. 2016. Hein. Alors de 2016 à aujourd'hui, on peut avoir le parcours du combattant sur cette émission euh, Parcours artistique ou bien mon parcours, parcours... artistique, bien sûr, c'est ce qui nous intéresse cette émission. J'ai déjà commencé, commencé avec la boîte Blue Mix. Blue Mix, ok. Oui, après j'ai fait le CF Californium. Californium. Puis le diplomate. Diplomate. Puis euh, le level, level. ensuite le one. Bref, toutes les boîtes. Et voilà. Et après aussi, je faisais des, prestations particulières pour les gens qui, ont des soirées, des concerts. voilà, on a eu à faire des concerts avec Arafat. Et Feu Arafat. Uh-huh. Et Antifor. Eh, Al radi il y franchement, la liste Beaucoup d'artistes euh, nigériens. Alors, euh, ce que je voudrais savoir en dehors de ça, on sait que déjà tu mixes. Ok, d'accord, c'est quoi le mix C'est quoi le DJ C'est quoi Explique-moi un peu le concept DJ euh, pour permettre aussi aux jeunes de comprendre un certain nombre de choses. Ah, c'est important. le DJ, c'est disc joker. Ça veut dire quelqu'un qui joue les, les, jokers, tu vois. C'est-à-dire quelqu'un qui anime une soirée ah. en matière de musique. Donc, tu dois savoir quoi mettre et quand mettre tout les sons qui doivent se suivre. Qui doivent euh, se suivre, c'est un peu comme ça. Pour que l'ambiance ne casse pas, quoi. Faut pas. Le DJ est tout sauf rabat Il met l'ambiance. Bien, sûr. Ah ouais, on n'aime pas les DJ rabat qui cassent l'ambiance. Ah, bien sûr. Alors, DJ Massata, sur cette émission, il faut parler aussi d'autre chose parce qu'on sait qu'on t'a vu à moult reprises en featuring avec des artistes. Explique-moi le concept, explique-moi un peu comment ça se passe parce qu'en fait, c'est aussi euh, une partie de toi. C'est à fait partie aussi de ta force, DJ Massata. En dehors du mix que tu fais, tu nous égayes musicalement parlant dans les bords de Nîmes, les coins les plus chauds. En dehors de ça aussi, tu, es en featuring, tu as été featuring avec beaucoup Explique-moi un tout petit peu comment ça marche, comment ça fonctionne. C'est important qu'on ait ça aussi sur l'émission. bien sûr, bon, tu sais, euh, sur ce franc, je dirais que un DJ, en fait, c'est un artiste. Et on a constaté, bon, c'est pas que moi, ah. c'est pas que moi, les DJ ont constaté qu'ils n'ont pas ce, titre d'artiste. Mhm. Alors que ce sont des artistes, tu vois, c'est quelque chose, c'est ton identité, ta façon de jouer, elle est remarquable, tu comprends mhm. Donc, euh, après un moment, il y a des DJ comme David Guetta qui ont compris cela. Mhm. Ils ont compris cela et du coup, ils ont décidé de faire la production, c'est-à-dire faire une chanson, faire le beat de la chanson, la lancer seule, mhm. tout comme j'ai fait avec Zotabalista. Mhm. Ou alors, ils font la production, ils appellent un artiste. Mhm. Voilà, l'artiste chante dessus, mais le son est la propriété du DJ qui lance sur son YouTube ses différentes pages et voilà, il s'attribue, si on peut le dire, le son, le mérite du son lui revient. Bien sûr. Donc c'est ça, c'est une collaboration comme les collaborations entre deux chanteurs, mais cette fois-ci avec un artiste DJ qui fait la production du son avec un chanteur qui chante dans la musique. Tout simplement. le son et la propriété du, DJ. Donc du coup, tu mixes et te tu, mets euh, la, joie dans nos cœurs et en dehors de ça aussi, tu fais, tu chantes avec des artistes ou tu fais des beats avec des artistes euh, aussi euh, pour toucher le monde entier. On a compris un peu, n'est-ce pas, comment est-ce que tu occupes la jeunesse nigérienne. Nous sommes pratiquement à la fin de cette première partie, cette première partie qui donc a parlé du parcours en question du combattant parce que dans un deuxième angle, c'est-à-dire demain, Inch'Allah, nous allons te recevoir pour parler un peu de tes featuring, pour parler un peu du contenu en question de Mr. Taf dans un deuxième. Là, nous sommes sur l'émission Franco Aoussa, une émission euh, présentée par la Miss Rim. Hein. je parle de l'émission Tous à la Fada, cette émission consacrée à la jeunesse nigérienne. Donc restez surtout avec nous, ne zappez pas, restez hein, jusqu'au dimanche euh, sur le site du studio Kalangu. Alors Miss Taf vous allez certainement euh, me dire hein, euh, où vous vous adressez. Ah, je peux te tutoyer, tu es mon gars. Donc tu peux bien évidemment t'adresser à toute la nation entière à tous les artistes nigériens. Je voudrais un mot, un mot pour qu'on puisse ensemble pousser ce Niger à aller de l'avant. On doit faire comme Kalangu, parce qu'on sait déjà que le studio Kalangu encourage la culture. Alors, eh, est-ce qu'on peut déjà avoir un mot de Mr. Taf à l'endroit des artistes, des fans et de tout ce qui suit Bien sûr, bien sûr. Bon, pour moi, mon encouragement va à l'égard de ceux qui travaillent, parce qu'aujourd'hui, le secret du succès, c'est quand, Dieu te, donne la santé, Dieu te donne la vie et la santé, bon, tu le remercies, après tu travailles, hein, parce que l'essence même de la vie, on a renvoyé Adam et Ève du paradis pour qu'ils viennent ici souffrir. Bien sûr. On souffre en travaillant tout pour prospérer, c'est normal. Tout à fait. Donc, euh, c'est tout ce que j'ai à dire. Moi, d'ailleurs, mon adage préféré, c'est seul le travail paye. Tu as le travail. <laughs> Fraternité. Travail. Travail. travail progrès. Fraternisons, travaillons, progressons sur le studio Kalako. C'était l'angle 1. Sangame Saliga. Terminator annoyaba kalde dirni char Terminator dura sango subunwa mashino nganda anda maize kayan hara Mustafa Isa nganda saini da Mr. Taf an gaino ganaranse kala attends, attends. Ligeta, da ngay se denji kayno fo. Haka. Retrouvez ça bien évidemment prochainement. Je mets une pause. Eh ouais, eh ouais. Quel souvenir. Haka.